Dès que les pluies cessent, les mares tarissent précocement et on assiste à des mouvements des éleveurs vers le sud où ils peuvent abréver leurs animaux. Mais il se trouve qu'au moment où ils amorcent leur mouvement, les récoltes sont toujours en cours. On assiste alors chaque année à des conflits ça et là. Mais grâce à la détermination des acteurs des commissions foncières, ces conflits diminuent du jour au lendemain comme le certifie ici El Hajj Suleiman Liman Aminou, secrétaire permanent de la commission foncière départementale COFODEC de Myria. Depuis quelques années, au niveau du département de Myria, je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit, mais nous n'avons pas enregistré de conflits regrettables qui entraînent la mort ou des blessures. L'agriculture et l'élevage constituent les deux principales activités des populations du Niger. Elles se développent côte à côte sans difficulté. Souvent, nous avons des heures ou même des conflits sérieux entre agriculteurs et éleveurs. Quand ils descendent, ça coïncide avec beaucoup d'agriculteurs n'ont pas encore caser leur récolte. Myria constitue particulièrement un département de transition qui dispose de plusieurs mares, ce qui présente une sérieuse menace et un défi de taille pour cette COFODEP. Cette année, au niveau de chaque commune, nous avons développé les thèmes de la bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs et les actions que chaque acteur doit jouer pour que nous aboutissions à cela. Des actions sont menées au quotidien pour trouver un juste milieu et éviter les conflits entre ces deux catégories socio-économiques. Nous pensons qu'il y a des résultats qui sont là. Certes, les éleveurs ne sont pas tous passés. Les champs ne sont pas libérés parce qu'il y a un processus de libération des champs qui doit nous amener à la bonne pâture. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent la nuit dans les champs pour garder leur tas de mille. Nous avons beaucoup de déclarations des dégâts qui sont faits sur les récoltes, etc. etc. Certains canaux sont prévus pour éviter des conflits agriculteurs-éleveurs, mais mal exploités jusqu'ici et nous osons espérer que ces deux acteurs accepteront les solutions préconisées pour une coexistence pacifique.